Nous avons fait fi euh, conseil départemental Mbour bi Sam Sophie Gladima Midi euh, ministre du pétrole et de l'énergie waa Joal préfet du euh, département Mbour ak acteurs du DGI, conseillers députés pour remettre financement aux 160 millions de francs CFA avec des pirogues en fibre de verre avec ay gilets, avec GPS nous avons fait un ñun pour jox ko nappkat yi nga xamantene dem immigration clandestine si bateau yi ñu ñëwaat ñuy wax maanaam rescapé euh, objectif bi mooy président Macky Sall sant ñu jox ndaw ñu jox espoir pour laaj ñu baña a jël bateau yi ñu toog fi réew mi fii tekki fii loolu moo suñu tank tay 160 millions de francs 160 millions de francs CFA euh, pour environ 30 personnes tay bénéficier nañu ci financement bi ñeneen ñu ngi koy étudier bu sobel dañ ko continuer. discrimination positive lañ def moo tax tey ñu privilégier Mbour ak rescapé yi lool bu weesoo tamit am nañu enveloppe bu 100 milliards bo xamantene ne préparé nañ ko à partir de. 1er janvier 2021 et région de départ rawatine Mbour euh, be Joal de dem Lompoul Saint-Louis be dans le sud nous avons aussi bénéficié pour nous ñi fi